Amina, ami de la Fada, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Amina Mouna la Fada, barkan ku da wuni da fatan kuna lafiya, barkan ku da shiga wannan shirin nan mai farin jini wanda studio Kalangu ke gabatar muku kowane ƙarshen mako. Fadar mu da yau ta yi tattaki ne zuwa nan guntiya na inda muka tattara matasa don magana bisa kan auren yara ƙanana. Le mariage des enfants est un phénomène qui touche malheureusement de nombreuses jeunes filles au Niger. Ce problème pourrait avoir des conséquences graves sur la santé, l'éducation et l'avenir euh, des filles concernées. En 2014, le Niger avait l'un des taux les plus euh, élevés du mariage euh, d'enfants. Cependant, l'évaluation du plan stratégique 2019-2021 a révélé une diminution dans la pratique. La proportion des filles de 15 à 19 ans mariées avant 15 ans a connu une baisse considérable en passant de 24% en 2012 à 15% en 2021 et le premier chiffre, c'est selon l'enquête démographique de santé au Niger par Inès en 2012. Euh, le second chiffre, c'est par l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans fait par Inès en 2021. Mais euh, qu'est-ce qui pousse à ce phénomène et surtout quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer dans la lutte contre cette pratique C'est pourquoi nous avons choisi pour thème quelles sont les causes des mariages d'enfants au Niger comment se fait la pratique. Pour en parler ce soir, nous avons invité euh, Mahamadou Chetou Omar Farouk. Il est euh, étudiant en master euh, au département de géologie où il étudie l'environnement. Nana Salima Lawali aussi avec nous. Elle est étudiante en droit aussi à l'université Abdoumouni de Niamey. Nous avons aussi à côté d'elle Mahamadou Boubacar Nana Aïchatou. C'est une jeune étudiante et enseignante en français et en anglais. Nous avons juste à côté Belko Idi Omolher. Elle est étudiante en communication pour le développement. À la présentation, je suis Samira Wafi et à la technique, c'est Abdelkader Tchembiano. Pour planter le décor, euh, dites-nous comment euh, définissez-vous le mariage des enfants Cette question, je la pose à Nana Echatou. Allô, Katinda on parle de nos arrière-grand-mères, nos grand-mères, ils étaient, elles étaient données à bas âge. Alors que notre alimentation a connu des changements. Ce qui fait qu'on fait face à beaucoup de conséquences qui ont un impact sévère. D'où Beba Kamat ya kamata ne a ce kowa ma ya gane zancen auren a ba da yara a jeune ash kama abu ne da ya kamata kowa a ce ya kama an tashi ta tsantsa an tsaye da wannan abu To madalla kenan a gani na kina kallon wannan da wani ido da baya da kyau zan dawo ta bangaren ka Umar Faruk kai kuma ya kake ganin auren yara comment est-ce que vous le définissez ici au Niger euh, à mon humble avis le mariage des enfants est une pratique qui est faite dans nos sociétés et connaissant bien les réalités de nos contextes donc ça consiste à donner à un mariage euh, une jeune fille avant l'âge de 18 ans, ce qui fait en sorte que elle fait face euh, à plusieurs euh, problèmes et notamment nous avons des conséquences négatives sur sa vie et en général et en particulier sur sa santé, sur son éducation et également sur son droit en tant que jeune fille. Voilà en quelques lignes ce que je peux dire du, mariage des enfants. Merci. Euh, je merci déjà pour la question. Et je pense que les principales causes du mariage des enfants ici au Niger, c'est d'abord une manque d'informations sur la question, donc euh, et aussi je peux dire un manque de moyens de certaines familles et aussi peut-être on peut citer un éloignement de certains centres, peut-être d'études dans certaines zones. Donc, ils n'ont pas accès à suffisamment d'éducation, ils n'ont pas accès aux écoles. Donc, eux, pour eux, le premier recours des enfants, surtout que ce mariage touche principalement les jeunes filles. Donc, le principal recours, c'est de les marier dès qu'ils sont ils n'ont même pas attendu 18 ans donc de, de les marier et puis c'est tout. Donc ils n'ont vraiment pas cette vision-là de ce que peut devenir la jeune fille après. Donc, ce plusieurs facteurs liés à la culture, liés à la société. To madalla, inda kun gane abin da Umulhek ta ce kamar mutane ba su da sanayya ne ko ko a ce bayanai da suka dace bisa kan wannan auren yara, kuma in aka yi la'akari da waɗanda ke can karkara nesa da makaranta ko ko rishin zuwa makaranta duk wannan yana haddasa wannan auren yara da ake mazan yi don ake mafita guda ce babu karatu babu dans certains ménages, la fille est promise à se marier dès sa naissance. Donc c'est vraiment un mariage qui est là familial, c'est entre des cousins, des cousines. La fille est née, on dit que la fille sera quand elle va grandir, mais grandir à quel âge Des fois 14 ans, 15 ans. Donc elle est déjà promise à quelqu'un. Donc c'est qui intensifie vraiment cette question. Parce que là, la fille, avant même de devenir adolescente étant enfant, elle est déjà mariée et dans de la tête de, des choix. Oui, aussi. des choix. Donc il y a vraiment ce problème des choix parce que c'est c'est plus culturel dans certains ménages. Thomas de la zanda dawo ta bangaren ka Umar Faruk ina so in sani shin a ganin et comment se fait la pratique euh, euh, de ce mariage-là des enfants de moins de 18 ans en zone rurale et zone urbaine Shin duk ne koko akwai wani bambanci tsakanin yadda ake yin shi ƙauye da yadda ake yin shi birni? D'accord, eh kamar yadda kun ka sani arme yara kankana can cikin ƙauyuka da kuma nan birni ba za su iya zama guda ba. Tunda les contextes euh, ne sont pas les mêmes, les réalités aussi des zones ne sont pas les mêmes. Si je vous prends l'exemple euh, en zone rurale, dans les zones communautaires, il y a ce système que vous avez évoqué tout à l'heure euh, qu'on appelle Kame, le système de Kame qui consiste donc à réserver la petite fille avant même l'âge de se marier, tandis que son époux est souvent, si on peut le dire en exode, à la quête d'une situation financière stable. Ce qui fait en sorte que la jeune fille est déjà réservée mais sans pour autant atteindre l'âge. Donc avant même d'atteindre l'âge, tout simplement, elle se met dans la tête qu'elle est déjà mariée. Tandis que nan ga birni abun da ake yi kamar yadda uwa mu ta gayi ce umulker kama yanayi ne ya kawo kamar zamani abun ya koma harkar zamani le fait que kamar abu ya koma concurrence haka na ga wance ta yi nima ya kamata in yi na ga wance ta yi nima ya kamata yi kenan abun da mutane kamata su gane da cewa komi da lokacin shi ne ba don wane yayi ba dan shi haka zaka ɗauka kai ma ka ce dole sai ka yi kenan shi yake kawo matsaloli kuma rabe-rabe ma sai ku gani eh, matsalar tana kawo har zuwa armai ba su ɗaukar tsawon lokaci duka wannan suna cikin abubuwan da suke abun amma dun maniyar general eh, armen can ƙauye da na birni ba za su iya zama ɗaya ba tunda can ƙauye akwai abin da ake cema da faransanci le norme socio culturel wanda mutane sun yi kamu gare su kamar sun maida su al'adu ne za a ce kenan mutane suna respectan su sosai ba a so a ce ni ne ban yi respectan al'adu ba ni ne je suis devenu un des racines donc ah, kun ga yanda abubuwan suke ake iya kwatanta su an zone rural kuma da nan ga an zone urban madalla nagode Kafin mu ci gaba mu na fada za mu ɗau wannan lokaci don ba matan studio Kalangu waje don su gabatar mana da rubrika Rose in tasu ta yau. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou amis jeunes, bienvenue dans la rubrique rose d'aujourd'hui. Dans cet espace astuce beauté, nous allons parler d'entretien de cheveux. Pour cela, nous avons interviewé Esther Moussa, une jeune entrepreneur qui est dans la fabrication des produits capillaires. Nous l'avons rencontrée à la foire des jeunes femmes entrepreneurs de l'université Abdoumouni de Niamey. Alors bonjour Esther, dis-moi tout. Bonjour, comment allez-vous J'aimerais partager avec vous deux astuces pour prendre soin de vos cheveux. La première astuce, c'est le démêlage. Qui dit démêlage, bien fait, dit moins de casse. Alors, pour faire ce démêlage, humidifiez vos cheveux, appliquez un masque ou un après-shampoing vous faites un gel de gombo ou un gel d'aloe vera. Appliquez sur vos longueurs et les pointes ainsi que les racines. Massez bien pour que le masque ou le shampoing ou l'après-shampoing puisse bien pénétrer votre cuir chevelu et votre fibre capillaire. Après avoir appliqué le masque, procédez à un démêlage au doigt. Le démêlage au doigt est crucial parce que ça va vous permettre de séparer les mèches de vos cheveux sans pour autant les agresser, mais aussi à détacher tous les nœuds qui sont formés lors de vos coiffures ou bien après avoir défait votre cheveu. Après avoir fait le démêlage au doigt, prenez un peigne à dents larges et faites votre démêlage en profondeur, si je peux le dire. Commencez des pointes jusqu'aux racines et prenez tout votre temps parce que si vous allez vite vite la casse sera à la porte donc, c'était ça le premier, la première astuce. Et pour la deuxième astuce, si vous sentez que vos cheveux sont secs au courant de la semaine, je vous propose de modifier vos cheveux légèrement. Ensuite, appliquez une crème coiffante ou un leave ou bien une pommade hydratante puis c'est l'hydratation avec une huile légère, comme l'huile d'olive, l'huile de pépin de raisin et c'est tout. Après avoir fait cela, vos cheveux seront hydratés, tout et maniables. Et vous pouvez en même temps aussi faire votre coiffure pour le reste de la semaine. Ok, merci. Merci Estelle pour ce partage. J'espère, fidèles auditeurs, que vous avez pris bonne note. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bon, tu veux entendre quoi Que je te demande pardon hein? Hein? Quand une femme est jalouse, tu sais bien qu'elle est pire qu'un espion. Bon, pardon. Je posais trop de questions. Mais je fouillais pas ton téléphone, hein. je vérifiais la connexion. Oh. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalango. Nous allons continuer notre émission tous à la FADA qui se déroule actuellement à Gontiena, plus précisément sous le joli hangar qu'ils ont installé. Voilà, nous parlons de, du mariage des enfants au Niger et ses causes et de la manière dont les jeunes peuvent s'engager euh, dans la lutte. Poursuivons nos échanges, Salima. Yaya, C'est d'abord en fait que les jeunes collaborent avec euh, l'État d'abord, également avec les organisations, pour qu'ensemble nous puissions dénoncer. kenan kuma bancin wannan ya kamata a ce mu ma notre côté kan nous sommes complices, ko ne in mariage precoce pourquoi ne pas mu kwatanta musu dan shekin shi in kun ba mu iya almost mu yi denonse mu kai su inda za a kwatanta musu da kyawu conséquence kin shi danger inda duka qui sont liés à ça pour qu'on puisse euh, vraiment euh, empêcher ces mariages là qui ce fléau qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus et je pense également que maintenant des actions de sensibilisation, euh, étant membre euh, des organisations des jeunes. Donc, euh, nous avons vraiment pour rôle de mener des actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes à l'endroit des jeunes également à l'endroit des parents parce que des fois da ma ga ne take ga uwaye ne take da bukata a waye musu da hankali mu samu uwaye mu également qu'on sache en fait comment le faire sai mun samu method da approach ta kwarai wadda in mun mun yi an farankin ba su ji kamar da mun zo ne don mu lalata ko don mu lalata tarbiyyar su mun zo ne mm-hmm. don mu gyara da fatan dai masu sauraro kun gane da ta gama hausa da faransanci zan dawo ta bangaren kina na aishatu ke kuma eh, na faɗi ɗazu da ke malaman makaranta ce kina karantar da yara duk da turanci ne kike koya musu shin ko akwai wasu abubuwa da kike yi dan ganin kin jawo hankalin su bisa kan wannan auren wuri da ake yi na yara ko ma inda sun ji an ce an yi ma wani ko za a ma wani a kusanci su ɗauki matakai eh to gaskiya kamar da aka ce malamin makaranta kamar uwa kenan ba zama to dole ba kullum mu ce cikin kuri programin ne muke suivre il da a des fois da nous pour sensibiliser ni kamar bayan na zama to malamin makaranta ina cikin organisation da yawa kenan yanzu abubuwa ne da ya riga ya zama to min jini jiki kenan in na zamna na gani ya kamata in yi magana duk lokacin da na ya kamata in yi magana ba zan rike kaina da wannan maganonin ba kamar yadda aka ce kuma l'important c'est que moi je suis jeune enseignante mais jeune comme on a duk conflit intergénérationnel quelque part ça va ça va revenir à dire que ah, on se comprend plus avec nos pères que nous. ne sont moi je suis jeune je profite de ça pour parler aux jeunes mes élèves mais aussi mes soeurs, mes frères de tout ce qui sera conséquence néfaste en tout cas impactante wanda zai jawo hankali su a kiyaye a gaba eh. to madalla na gode zan dawo ta bangaren ki umul tambayar da zan miki ita ce a ganin ki me yasa yake da muhimmanci a ce matasa sun shiga cikin wannan yakin da ake na auren yara ni zan iya cewa matasa su ne za su iya kamar yadda muke cewa a faransanci c'est le père qui peuvent parler au père et aussi se faire entendre. Yanzu kai jeune in kai ma magana jeune, il va te prendre comme si c'est son grand frère et tout. Et Mouzam y mu servir d'exemple. Mu gada mushi mu karatu. Muna continue karatum. Ai bai zama cewa mun lalace ko mun abu donc, c'est vraiment nous, notre vision en tant que jeunes, c'est d'accompagner l'État dans sa vision pour mettre fin au mariage des enfants avec sa nouvelle stratégie, pour mettre fin au mariage de ces enfants-là, mener aussi plusieurs euh, actions patriotiques. Mugada wallahi, karatu Niger? a doke shi a ce mishi ya zama ministir ko ya zama wani abu sai ka karanta ka jina komin in ka dabor yanzu in ka karanta za ka iya ka jina makaranta a makarantar allo ne ko ma makarantar lakol ne ka jina shi a komin a village kinka mutane za su karuwa region kinka za ta karu e in ka ma za ta karu Donc c'est vraiment de mener des activités de sensibilisation, de, de formation, des théâtres forains auprès de ces jeunes-là. On a vu tellement des exemples où ça ne s'est pas bien fini. Donc tellement de conséquences avec les mariages d'enfants, des enfants. Aujourd'hui, si on ne s'élève pas et que toute la société continue sur cette pratique, vraiment, il y aura des répercussions énormes et que, comme elle a dit, en tant que jeune, ça va nous toucher directement. can an samu kes da yawa na abin ga consequence kamar sakamako mara kyau suite a wannan auren yara da ake ko kina iya bamu wani dan misali example guda na wani ka da kuka samu da harka ta kazamce kwarai ni samu je peux dire c'est déjà une cousine une cousine eh, directe et que ce mariage je vous ai dit que la plupart des mariages qu'on fait surtout dans nos communautés c'est vraiment des mariages familiales des mariages où tu as été déjà prédit à te marier en grandissant avec ton cousin ton frère ça dépend donc c'est une cousine une cousine qui était là elle n'était vraiment pas à l'école à 40 ans à l'eau. Elle a des rêves comme nous. Elle faisait son petit commerce. C'est quelqu'un qui voyait, qui était au village, mais qui voyait les choses en grand. Mais la famille a trouvé que comment Tawaye, Quand son village est village, tu n'as pas la, même vision des choses Qui kina gani abubuwa da nesa mutum na cikin hadari sosai eh Tu na cikin hadari mm. du coup an ganta Tawaye, an armi kinta elle avait refusé, elle avait informé les parents, mais malheureusement, elle n'a pas eu cette initiative de nous nous informer, nous qui sommes ici à Niamey. C'était ça le problème. Donc, elle a informé, elle a dit qu'elle ne veut pas, les gens se sont réunis. On a voulu la marier premièrement, elle a fui. Mais elle n'était pas allée loin, donc on l'a cherchée, on l'a ramenée. Et le jour J du vrai mariage, parce qu'on l'a ramenée là, on a créé les conditions vraiment pour qu'elle ne parle nulle part. Le jour du de mariage, elle est partie se jeter dans un puits. Ça, c'est une vraie conséquence du mariage forcé, donc du mariage Est-ce que quelque chose de grave lui est arrivé Quelque chose de grave lui est arrivé. Elle n'est pas décédée, mais elle s'est blessée à un moment où elle a fait deux ans ici à Niamey. Et le mal dans tout ça, c'est qu'il y a des choses qui se passent, mais les gens ne veulent pas témoigner. Les gens veulent vraiment régler ça en famille, mais il y a des choses que quand ils arrivent, on ne peut plus régler en famille. Parce que cette fille, aujourd'hui, elle, elle marche en boitant. Et quelqu'un qui part fait, mais plus de deux ans, je peux dire. Donc, deux ans, c'est vraiment pour vous donner une estimation. Plus de deux ans, il a fallu qu'après on entende ça et que mon propre père la fasse venir à Niamey pour la soigner. Et euh, il y avait un hôpital de blanc, je ne vais pas citer le nom, qui était venu vraiment, qui prenait des filles dans certaines conditions pour essayer de leur donner des soins. Ils ne sont pas des Nigériens. Donc, grâce à vraiment ce programme, elle a pu bénéficier de cet appui. Aujourd'hui, nous, nous sommes arrivés à empêcher le mariage, mais le mariage est empêché, le répercussion. Vous savez qu'au village, quand vraiment tu es dans certaines conditions, quand tu es victime d'un certain handicap, même te remarier devient difficile. Donc là, elle, elle a subi des conséquences qui vont la suivre jusqu'à la fin de sa vie. Asha, Je voudrais un peu compléter. kai complétant ta ma waɗanda a can cikin ƙauyen ta ƙaya da ba su jan abun da ta gori da turanci. In kun gane dai abun da malama umul ta faɗi mun tambaye ta ne ta bamu misalin shin ko akwai wani mugun sakamako da ta gani da auren yare ya haddasa. Ta bamu labarin wata uwata da ke can ƙauye yarinya ce da ke ganin gaskiya duniya da wani irin fanni. Ta waye sosai duk da tana ƙauye sai wani lokaci aka ɗauki niyyar cewa za a bada ta aure. To abun da ya faru yarinya ba ta so. na farko an so a yi ta hana abin ga ta samu ta kawar da shi na biyu aka matsa sai an mata ana cewa washe gari gobe ne aure yarinya ta shefa kanta cikin rijiya to arma an samu an hana shi amma yarinya gashi ta jimu ba ta rasu ba amma abun da eh, sakamakon da abun nan wannan auren ya bar mata ya yi rauni sosai tunda ta yi shekara biyu tana jinya a nan birnin ya mai saboda eh, ta rasa kahwahunta tunda yanzu an ce ta gurmunce abun nan kuma a ƙauye an san cewa in dai wata illa yi ko birni kake in wata illa ta samu ga jikinka ba lallai bane ka samu mijin kwarai gobe ko ko ka samu wata makoma mai kyau malam farko magana na gai kami kake son ka kara mana ne euh, concernant eh, les conséquences euh, du mariage eh, on peut citer aussi eh, les, les fistules les cas de fistules wanda ake mhm. kira da Hausa yoyon hitsari mhm. tunda ce qui provoque ça c'est quand le corps de la jeune fille n'est pas prêt à procréer ce qui fait en sorte que in ta je wajen aiwa take samu wannan comment kuma bayan wannan sai finalement elle est délaissée par la société elle est délaissée par son époux et aussi elle est délaissée par sa propre famille donc ya a diba a gani euh, yanda za a kan wannan à part euh, le problème, le cas de fistule, il y a aussi euh, la mortalité maternelle. la mortalité maternelle shine eh, ya mace yan taje karamar yarinya in ta wajen aihuwa shi ma wannan yana abin da ke provoke shi le fait que eh, ta kai aihuwa ba mai sai ta ɗauki ciki tun da ta kai wani lokacin na ɗokan ciki amma aihuwa jikinta bai kai inda bai kosa ba inda zai kama ya kamata ta ba da ran ɗa kenan so ki fi an sort ke sai kuma yarinya ku ga ta je wajen aihuwa sai ta rasa kuma ranta sai sa la mortalité maternelle kun ga wannan ka biyu abu ne da ana ta samun su sosai surtout na ka yan yoyon tsari abun daban tausayi sosai vraiment haka ne kuma yoyon tsagin nan ƙarshe mace tana yoyon tsari kuma mijin ya gudu ya ta barta to masu sauraro yau dakta mu dai kun ga dai wadda ta kasance za mu je mu huta da wannan faifan dai sai mu dawo don ci gaba da wannan dakta mu ta yau Dare hajiya. ikat kuri da digi tanta tabal magobiri hinkini ina figi fonda bindi tinibi kwakwata galala amma aina sigi ai manti falamo bora kulkani girbi girbi monadi sangai na fitiga kazima modibi asima tari kwat kwat kwata geri ai ba sama ya singuri eh, eh, bai amma lokacin to ai bai ga da nau fata ku bai a difan da ko bari ga zimatari ko kiri aiban ofai sanwai lala da simbiri marga marga wa waza ga margo aihin na gazan kano dobo ni bai wano jar alasirir koi mawi munafiki bayan mu da za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu da ya kamu a nan gunti yana inda muke magana bisa kan auren yara me ke haddasa shi kuma menene su matasa suke yi don ganin cewa sun kawar da wannan ɗabi'a malama salima na jima ban ji eh, daga gare ki ba ina so in sani shin a ganin ki wani irin tasiri ne za a iya samu ga rayuwar ita matashiyar da aka ce an waye gari ta fuskanci wannan auren dole quel serait euh, impact de ce phénomène qu'on peut voir visible ou bien psychologique sur euh, les victimes voilà non euh, petit impact qui le mariage le mariage des enfants que ça m'oubis mhm. je dirais que une fois mariées même si elles sont scolarisées ana gani un changement une fréquence un sou, na et tout il y a certaines elles finissent par abandonner que même les plus intelligentes des fois on remarque qu'après le mariage euh, on remarque vraiment une chute de niveau euh, qui mhm. tantôt sur la tantôt effectivement comment des fois ça crée certaines frustrations yarinya ga tana amata mata aure dans le bas âge bata ma san menene aure ba c'est in ta une ne tana une violence de tout genre mon ah abonga dit anti violence conjugale c'est ça ça concerne vraiment les les filles qui sont mariées qui sont mariées dès le bas âge à un moment elles n'ont pas de elles n'ont pas de mots à dire tu foyer et tout ce qui fait que da suka que tu frustration suke qui cikin rayuwarsu frustration kuma da fa ga sunan dai kwa umulhe ga zamu miki wannan tambaya wadda na malama salima ko ke ma kina yin muna ƙari bisa ka abin ta hudu bisa kan tasirin da ake iya gani ga rayuwar waɗanda suka fuskanci wannan auren yara kamar yadda ta gai tasiri akwai su da yawa akwai su bisa kan sante mm. bisa kan education kin su bisa kan bien-être insu yau na yau da kullum ko bisa kan autonomy suma parce que yawanci in an maka arme ko diya saboda education kin ba lakwal kaɗai ne akwai waɗansu diya suna aikin hannu an maka an hidda ka an maka mariage eh, wannan an yi maka arme lokaci bai kai ba bai kai 18 ans donc le mari peut l'empêcher d'aller travailler et là tu deviens vraiment quelqu'un d'indépendante et que des fois le mari lui-même n'arrive même pas à subvenir aux besoins de cette fille du coup, elle ne elle peut plus donner sa tête à rien donc elle condamne la société elle condamne les parents et elle et ça devient un moment où elle se condamne elle-même parce que elle devient cette personne qui est écartée de la société, qui n'est pas compris, qui n'a pas su faire un choix cette personne qu'on n'a pas laissée pour qu'elle fasse un choix. Vous voyez, donc toute la, vie de la personne sera contrainte à faire des choses où cette personne n'a pas choisi. Donc c'est vraiment à quoi matsaloli yawa comme Omar l'a dit, vraiment il y a les fustules, il y a la maternité enfantine, il y a plusieurs choses et mentalement la personne est touchée, physiquement la personne est touchée. Donc avec cette personne là, qu'est-ce qu'elle va devenir moi je me dis que rien haka ne in kun gane abin da malama umulke ta gayi ta ce bancin wannan kuma Eh, yarinya za ta tsangwami kanta da kanta za ta fara ganin laihin mutane ta ga laihin al'ummar da ke kewaye da ita da baya kuma ta gani kamar duk abin da ya faru ma laihinta ne daga ƙarshe ta rasa inda za ta saka har ya kai inda rayuwa ta ta kwata kwata ba ta mata daɗi malam faru faruk zama ka wannan tambaya mun ji yan tasiri da ake iya samu bisa kan rayuwa waɗanda abin na ya shafa an kazancen kiwon lafiya an kazancen ba da ilimi an kazancen rayuwata ta gobe in tana gidan mijin da bata ma san ta yaya ta hwada a ciki ba yanzu za mu magana ne bisa kan wani tasiri ake iya samu bisa kai quel serait l'impact social et économique euh, pour le pays D'accord, et merci beaucoup. En ce qui concerne l'impact social et économique, il faut savoir que la femme, avant tout, est cette personne ou bien cet être humain qui contribue euh, d'une manière significative à au développement d'un pays, même si souvent c'est un sujet tabou, on n'aimerait pas le dire, mais côté économie déjà, Oumulker euh, l'a eu à soulever, souvent il se pourrait que cette dernière, donc cette femme euh, mène des activités par-ci par-là pour pouvoir en tout cas avoir une situation financière stable et aussi contribuer à la gestion effective de son foyer et que finalement euh, elle se retrouve dans cette situation donc elle sera vraiment bloquée à mener euh, ses activités économiques donc qui vont qui vont lui permettre euh, bien entendu de d'avoir des petits revenus afin de subvenir à ses propres besoins et aussi aux besoins de de son foyer et ce côté social aussi je pense que ça a un impact euh, vraiment euh, très très très très important, je vais parce que souvent ça, ça nous amène à, des pertes, si je peux le dire. Il y a des pertes de vie côté santé et il y a aussi le côté psychologique qui peut aussi être euh, impacté au cas où elle se retrouve dans ce genre de situation. To madalla shin ko akwai wanda ke da ƙari da yake so ina na Aishatu ina sauraron ki. Eh, to biskan impact wanda yake iya tushen duka gari in ana iya cewa zan iya kawo misalin muka ɗauki wanga sati Vladimir Putin president in Russia yana nan ga mettre en place des robots qui vont occuper la première ligne lors des guerres. Pourquoi Parce que pour eux, la perte de vie d'une seule personne c'est quelque chose c'est important pour le pays mais mu muna nanga ga ganin shi da yawa an sa ido ana nan ga shiru biskan shi yara ana nan ga musu aure a bazaj suna nan ga mutuwa mais bai nan ga tada mun da hankali kudi ba fa abu ne da ya kamata a ce kowa ya ɗauke shi da mahimmanci mutane yara suna nan ga rasa rayuwarsu eq c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter inda an dan dakata kaɗan har yarinya ta dan samu ɗan jikinta ya samu wani kwari ya ya kosa ana iya evitan wannan am ya ake cewa rishin rayuwa da ake daga samu a bangaren yara kuma a ɗauki a lokacin da yara suka samu ciwon yoyo c'est quelque chose qui a un impact sévère pour la société parce que après on va constater que c'est même les parents qui regrettent plus que la fille même sai su shiga cikin mawuyaci hali su ma yarinyan ta zo ta to kaya gare su ai ta inda inda eh, ta to kaya gare su alors que wannan inda an dan jinkirta kaɗan ana iya evitan shi ta zama nauyi a gare su kenan malama salima ko kina da wani abu da zaki kara effectivement ina da parce que ni duk cikin harka ga ta arman yara abin da ya bani tausayi shine en fait ces petites filles su ma kansu wanda ake bada arme elles même elles n'ont pas fini de profiter de leur enfance c'est-à-dire que si vivre une enfance qu'une souvent en s'assurer franchir une autre étape et su ce qui fait que vraiment akwai matsala su deja yara ne so a yi yara kuma ya za a yi c'est ça en fait qui me fait penser à l'adage yaro bai renan yaro sai dai rungume shi su haɗi et ça aussi c'est vraiment très grave pour gaskiya haka ne to daga nan dai hirar dai an ce ba ta kariya ga baki gobe dai za ku ci gaba tare da malam habibu garba inda zai kawo muku wani fanni bisa kan wannan hirar da muka yi amma dai kafin nan mu yi dan wuri saboda mu saurari ku wani in ta yau Amis du Fada, bonsoir, tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence, que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes. L'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, par fois insidieuses, mais aussi porteuses de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques sophistiquées pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du FADA. On se retrouve demain, même heure, même canard pour la suite. Voilà, c'était la chronique de la fada hakane wa matasa kawo na Aujourd'hui on était en compagnie de Nana Salima, nous avons aussi une autre Nana, Nana Aisha tout juste à côté d'elle nous avons eu Oumouleher et monsieur Omar Farouk. Avec eux Tara de Soua, Tomunta mun tattauna ne bisa kan euh, wannan taken mai mahimmanci na auren yara mun yi magana ne bisa kan wani tasiri ke da kai ga auren yara kuma wani irin taimako su matasa da al'umma ke iya kawowa dangane an an kawar da wannan illolin na wannan al'ada samira rafi ce ta gabatar da shirin diya domin avec habibu garba kamar yadda na faɗa inda zai muku wata fira ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya